Oui. Les avocats, Sonko et ses avocats ont réussi un grand pas. J'ai vu quelqu'un dire mm. sur les commentaires que il faut féliciter Ousmane Sonko. Et mm. ça, c'est pas aujourd'hui. Mm. Sonko, dans sa stratégie de résistance, il de bris. Je pense que c'est distorsion. C'est administration. C'est administration, réglementation. Distorsion, il y a une loi pénale, fait qui ci une constitution mais y a plus y a plus ah, mm. euh, donc mm. on parle de audit assise de on parle de la justice on parle de l'organisation de la justice mais aujourd'hui dañ nos textes parce que dafa c'est désuet li contradictoire li société ainsi de suite mais donc pour être pragmatique et concret hmm. les avocats de Sonko ont franchi un grand pas aujourd'hui parce que xam la affaire c'est la réintégration de Ousmane Sonko dans le fichier pour que DG jox ñom parrainage pour DG jox responsabilité alors Sénat parce que Sénat c'est une lettre de cartage. lettre de cartage, pages bi ben paragraphe nous lañ ci wax des dispositions gars il jaar ba saisir leen ci saisir ak la mais ci post-pilatisme oui mais purement et simplement mais c'est ça le purement et simplement mm. parce que effectivement comme vous dites la Sénat aurait pu orienter très clairement les avocats de Sonko qui sont responsables responsable affaire ah. soit mu wax wala mu ne leen attaquer qui elle ne l'a pas fait. je ne suis pas de ceux qui pensent et qui défendent que la direction générale des élections doit être totalement. par contre les premiers ñuy def dañ ko bën juridique. ut dinañ ko juridique mais dañ ko sont pas la juridique. avocat yi vous day persévérer ñi ngi mingi mi ngi mi ngi mi dina cédé bi dina affaire bi donc. coow li ak ay def nañ lii def nañ laa ñoom ñëpp dañu ànd bañ Ousmane Sonko bokk am na yoon pour en tout cas su question bi ñu koy tëral pour man yoon feeñ na nañ attaqué la DG la la la la la DAF sur la mm. DG kii maintenant du point de vue politique. Mm. ce que je dis mooy li ma doon wax yépp et je rejoins Fallou tappale ak loo xamante ne conspiration la boo xamante ne c'est pour empêcher à Ousmane Sonko d'être candidat. Mm. or Ousmane Sonko doit être candidat. vous me direz que li may wax dafa dangereux. malgré les décisions de justice contre Ousmane Sonko dafa war a candidat légitimité moom moo ko imposé et on a vu le ministre de la justice éminent professeur de droit wax ne Macky Sall parce que le débat s'est posé ndax wala waru le débat juridique mon mou def déplacement latéral def déplacement déplacement latéral indi légitimité hmm. loolu mooy tax légitimité bobo, mooy tax Ousmane Sonko wara a bokk ñu organiser su hmm. fekkante ne notre pacte social oui notre pacte social su dee comprendre nañ ko dañ war a fexe Ousmane Sonko bokk parce que c'est ça le vœu des Sénégalais pour ou contre Ousmane Sonko. D'accord.